forum Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. forum Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 31 radios partenaires du studio Kalangou basé dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans une vingtaine de départements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Forum du Studio Kalango que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Forum du Studio Kalango, c'est chaque soir du lundi au vendredi et c'est une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous sommes dans la région de Zander, cette fois-ci dans le département de Magaria, précisément dans les locaux de la radio Kitari, une radio partenaire du Studio Kalango. Le Forum d'aujourd'hui porte sur les échanges commerciaux de ce département avec le Nigeria voisins, les retombées et la libre circulation des biens et des personnes. Quelle est la nature des échanges commerciaux quelle est leur importance, quelle est la réalité de la libre circulation des biens et des personnes de l'espace CDAO ici à Magaria, quelles sont les retombées de ces échanges pour les commerçants et les consommateurs des biens et services, quelles sont les limites de ces échanges Existe-t-il des tracasseries et raquettes sur les postes de contrôle Comment profiter pleinement de ces échanges commerciaux Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses avec nos invités. Avec nous autour de la table pour en débattre, le maire de la commune urbaine de Magaria, Moussa Aruna. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Avec nous également le préfet du département de Magaria, Ibrahim Suleiman. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir. Également sont présents avec nous le secrétaire général adjoint du bureau des commerçants Sani Issa. Bonsoir Sani. Bonsoir monsieur. Et Garba Haruna qui représente les transporteurs euh, donc, euh, ici à Magaria. Bonsoir Garba Haruna. Bonsoir monsieur. Bienvenue à tous dans ce forum que nous réalisons à la radio Kitari de Magaria. Le département de Magaria est situé au sud de la ville de Zender à environ 90 km. C'est le département le plus peuplé des départements de la région de Zander. En 2014, les projections de l'Institut national de la statistique faisaient état de 600 000 habitants. L'une des particularités de ce département, c'était le comptoir arachidier au moment de la colonisation à notre Magaria fait frontière avec le Nigeria, ce qui a favorisé et qui continue de favoriser des échanges commerciaux assez importants entre le Niger et le Nigeria. Nous allons sans tarder commencer euh, avec Monsieur le préfet du département de Magaria, Suleiman Ibrahim. Monsieur le préfet, pouvez-vous nous faire un premier commentaire sur l'importance des échanges commerciaux entre votre département et euh, le pays voisin, le Nigeria Merci, euh, euh, au studio Kalangu de nous avoir invités à ce forum dont le thème euh, me semble euh, important. Bien sûr, le département de Magaria partage une large frontière avec le Nigeria. Et comme tout le monde connaît, le Nigeria est le principal client de la région des Andes, voire le département de Magaria. Nous, nous sommes directement concernés. Pour moi, les échanges se font au quotidien et c'est le seul client c'est le principal client du département. Et aussi, c'est notre seul point de ravitaillement. Client et ravitaillement. Qui ravitaille le département de Magaria, voire euh, la région des Andes, mais particulièrement le département de Magaria. Tout provient du Nigeria. Parce que ici, dans le département de Magaria, vous pouvez trouver des gens qui ne connaissent pas la monnaie nationale, ne connaissent que la Naira. Qui est la monnaie du Nigeria. la monnaie du Nigeria. Alors, Donc, tout se fait avec les partenaires du Nigeria. D'accord. Nous allons revenir à vous. Le temps de donner également la parole au maire de la commune urbaine de Magaria, Moussa euh, Haruna. Monsieur le maire, euh, un mot sur les échanges commerciaux Nous pouvons dire que c'est l'un des débouchés les plus importants de la région des Andères Parce qu'aujourd'hui, ces échanges, les entrées et les sorties des marchandises, les produits manufacturés dans la commune urbaine de Magaria proviennent essentiellement Nigeria. Les entrées, comme je disais, vous allez voir euh, les marchandises, euh, que ce soit euh, le manioc ou la patate, l'igname, presque tous les produits agricoles produits au Nigeria sont importés à Magaria. Il y a aussi les matériaux de construction qui sont très importants pour la bonne marche de la construction des bâtiments ici dans la commune urbaine de Magara. Donc nous allons, nous disons que c'est des échanges très très importants entre le Nigeria et la commune urbaine de Maghreb. Des, échanges dont on ne peut s'en passer. Pas du tout, parce qu'en réalité, si aujourd'hui nous pouvons faire euh, ce qu'on appelle la balance commerciale entre la commune et le Nigeria, cette balance commerciale, nous allons dire qu'elle est plus favorable du côté du Nigeria parce que les exportations ou les importations dépassent de loin les exportations par rapport à la commune urbaine de Magaria. Surtout qu'ici, nous, nous exportons du bétail sur pied, et les marchandises comme le niébé, donc les produits agro pastoraux Voilà ce que j'allais dire. Euh, le secrétaire général adjoint du bureau des commerçants installé ici à Magaria Sanissa, donc euh, tout à l'heure, donc et le préfet et le maire ont commencé à énumérer un certain nombre de, produits des échanges euh, commerciaux entre Magaria et le Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage par rapport à la nature même de, de ces échanges, ce qui est importé, ce qui est exporté Je vous remercie d'avoir euh, organisé ces forums. Si on veut citer les produits qu'on exporte ou bien qu'on importe, vraiment, je crois qu'ici, on peut passer presque toute la journée en train de faire euh, cette évaluation. Parce que même si on amène nos produits au Nigeria, il nous faut encore repartir pour les renvoyer, puisque plus de 80% des échanges, c'est sur les produits euh, agricoles. Nous, on fait une agriculture, on si on peut une agriculture de subsistance ici, mais là-bas, c'est presque une agriculture commerciale. n'est non pas presque, c'est une agriculture commerciale. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Même si on amène les nébés ou bien l'arachide au Nigeria, euh, maintenant, au bout d'un certain nombre de mois, à partir de 3 à 4 mois après la saison hivernale, on est obligé de repartir pour acheter et puis ramener ça ici au Niger. Par exemple, les bétails, les nébés, l'arachide, euh, les sésames. Maintenant, même ces produits-là, une fois amenés au Nigeria, au bout d'un certain moment, vu l'agriculture qu'on fait ici au Niger, parce que c'est très insuffisant, les produits sont très insuffisants. On vend ça, mais au bout d'un certain nombre de mois, on est obligé de répartir pour chercher ces mêmes produits au Niger. bien sûr. Est-ce que sous forme déjà transformée, manufacturée ou toujours à la forme euh, matière première Sous n'importe quelle forme, parce qu'on n'en a pas assez ici. Et puis, à part ça, nous avons encore euh, le manioc, l'igname, il y a aussi du pastèque on importe et on exporte. Nous avons bien d'autres produits, mais je vous dis qu'on ne peut pas les citer. Et quelle, euh, euh, quelle année, par, par exemple, des, produits manufacturés, les boîtes de conserve, les, les, jus Voilà, on amène ça du Nigeria. À l'exception des quelques boutiques, euh, je dis, ici dans la ville de Magra, trois ou deux boutiques seulement qui amènent quelques boissons du, du Bénin. Mais je crois que c'est trois boutiques seulement ici à Magra qui vendent ça. Sinon, toutes les boissons, tous les produits manufacturés viennent du Nigeria. Monsieur Garba Haruna, qui représente ici euh, le, syndicat des transporteurs, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des trajets euh, que vous faites euh, donc entre Magaria et Nigeria Quels sont les principaux axes que vous empruntez et qui sont les clients que vous, vous acheminez Merci Kalangou les différents axes que nous empruntons, c'est Magaria, Kano, Magaria eh, ici Babara, ah, Magaria Magaria eh, Magaria à la frontière. Dashi. Dashi. Qui sont ces gens que euh, vous vous acheminez Nous acheminons des gens du Nigeria, on amène du Nigeria et nous, d'ici, on prend, on amène au Nigeria. Et il vous arrive de prendre exclusivement que des produits non, des, passagers. Et comment se passe ces va-et-vient Ces va-et-vient se déroule normalement entre nous et le Nigeria. je, reviens vers vous, euh, M. Monsieur Sanissa. Quelles sont les retombées pour vous en tant que commerçant de ces échanges entre Magaria et Nigeria, que ce soit en termes d'importation, d'exportation Quelles sont les retombées pour vous en tant que commerçant Le commerce avec euh, le Nigeria est très bénéfique, surtout euh, chez nous les commerçants du Niger. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Même s'il y a des problèmes, vraiment c'est euh, bénéfique pour nous. Parce que le fait euh, même d'aller chercher ce que vous voulez et puis amener ça. D'ailleurs, on dit que même pas à Maghreb ici, même au Niger, on dit que, 68,2% des marchandises du Niger viennent du Nigeria. Oui, si on prend par rapport à l'Afrique ou bien par rapport au monde on dit 68,2%, d'après des travaux qui ont été faits par le CILS, le Comité de lutte contre la sécheresse. On a fait ça avec le projet PRODAF. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc, euh, ce qui nous dérange un peu ici, c'est le problème des, des changes entre les démonies. Nous allons, revenir, nous allons revenir aux difficultés, aux mm. difficultés, euh, aux difficultés concernant mm. donc, ces échanges avec le Nigeria. Mm. Le temps de donner la parole à Monsieur le maire euh, de la commune urbaine de, Magaria. Monsieur le maire, euh, quelle année la satisfaction de la population par rapport aux, produits qui proviennent de, de Magaria Effectivement, quand on essaie de faire l'analyse, de la situation entre les échanges, le Nigeria et la commune urbaine de Magaria, nous pouvons tirer que la satisfaction est de la provision de ces produits provenant du Nigeria. Parce que lorsqu'il y a la rareté de certains produits ici, dans la commune de Magaria, et comme la situation est très fluide, très vite, nos commerçants partent au Nigeria pour importer ce genre de produits. Donc, dès qu'on sent une certaine rareté, que ce soit des produits agricoles, que ce soit les produits eh, manufacturés, comme je le disais, comme les produits, les matériaux de construction, très vite, nos commerçants vont au Nigeria pour importer tout ce dont a besoin la population de la commune urbaine de Magaria. Donc c'est une satisfaction totale, c'est une satisfaction générale. Parce qu'il n'y a pas d'entorse entre l'entrée et les sorties entre les, les, deux pays, pour ne pas dire entre le Nigeria et la commune urbaine de Magaria tout se passe normalement. Dans ce genre de cas, est-ce que ce n'est pas le lieu, est-ce que vous n'avez pas souvent, euh, vous ne constatez pas souvent de la spéculation qui monte, les gens ne profitent pas, euh, compte tenu de la demande, ne profitent pas pour, monter les enchères Oui, vous savez, cette question de, prix, lorsque le commerçant aujourd'hui veut créer la rareté, il peut le faire pour essayer de renchérir les produits existants sur le marché. Si aujourd'hui, on voit que, par exemple, je peux prendre la, la, comme le maïs. Si aujourd'hui on veut créer euh, une flambée de, prix, on peut effectivement créer la rarité. On peut, on peut exprès cacher certains stocks pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de maïs et maintenant on peut faire monter les prix. Vous voyez Donc là, c'est au profit des, commerçants. Là, c'est la population, c'est la population qui peut en pâtir. Et si aujourd'hui, on essaie de voir cette question de la rareté, là également, les commerçants peuvent très vite aller importer ces produits ou ces marchandises pour satisfaire effectivement la population. Une réaction peut-être le syndicat des, commerçants. De toutes les façons, c'est au Nigeria qu'ils font ça et non pas au Nigeria. Moi, je sais qu'on fait ça, mais c'est au Nigeria. Délibérément, on peut cacher certains produits, on peut dire qu'il n'y a pas ça sur le marché, alors qu'il y en a ça. Maintenant, au bout de quelques heures, on peut dire, ah, on a eu ça auprès de, de Intel ou bien l'âge Intel, mais, elle il a rehaussé les prix. Ou bien on peut dire, ah, nous venons de téléphoner à Lagos, mais ils ont dit que même là-bas, en Chine ou bien à Dubaï, il n'y a pas ça mais on a eu un peu. Mais le prix a été rehaussé. Donc, une fois arrivé ici, nous-mêmes, nous serons obligés de rehausser le prix, puisqu'on veut s'en sortir. Est-ce que vous, euh, il vous arrive d'augmenter les prix des de, frais de transport euh, en fonction de telle ou telle situation, ou bien c'est des prix qui sont tout le temps fixes euh, je m'adresse aux transporteurs. Nous avons des prix fixes, mais il nous arrive quelque temps de rehausser un peu les prix, mais pas au niveau national. Pourquoi Que l'essence a un peu augmenté au Nigeria. Nous aussi, pour avoir quelque chose, on essaie d'augmenter le prix du, transport. Au Nigeria, parce que vous ne vous approvisionnez pas ici au Niger En tout cas, on s'approvisionne au Nigeria. De l'essence. De l'essence. Monsieur le préfet, peut-être euh, une réaction sur tout ce qu'on vient de se dire par rapport aux, importations, aux exportations, euh, par rapport à, la spéculation qui peut monter euh, d'un jour à l'autre et aux raisons avancées par les uns et les autres. Euh, surtout, le représentant de, commerçants a apprécié la qualité des échanges avec le Nigeria. Il a dit que c'est très bénéfique pour eux. et ça représente 68,2%. J'attire votre attention que, en tout cas, le département de Magaria, pour ces chiffres doit dépasser ce chiffre. En termes d'importation. Ces chiffres concernent le Niger d'une manière générale. Donc, particulièrement le, euh, Magaria doit dépasser ça. Parce que il vous a dit que dans Magaria, il n'y a que trois boutiques, si on peut citer, de deux à trois, qui, importent à partir du Bénin. Tout vient du Nigeria. En plus, le Nigeria consomme tout, tout ce qui vient du Magaria. Il n'y a que le paresseux qui n'aura pas, pas de revenus. Le Nigeria achète jusqu'au poil des bêtes. Il achète jusqu'aux excréments des bêtes. Le Nigeria <laughs> achète. Aujourd'hui, tu peux amener un sac des excréments des bêtes, le Nigeria va acheter. Ah, comme fumier. Comme fumier. Donc cela veut dire qu'il n'y a que seulement le paresseux qui n'aura pas de revenus. Et en ce qui concerne votre bénéfice, monsieur le représentant des commerçants, et des transporteurs. Je sais quelque chose parce que l'essence dont le transporteur a fait cas fait 145 francs euh, le litre. 145 naira le litre. Fois 25, le bidon de 25, ça va te faire 3200 francs à peu près. 5200 euh, naira. à, ah, euh, À peu près 5200 francs CFA. Quand tu viens à Magaria, tu vas à 8000. Regarde, 12 km seulement, hein. tu vas 12 à 15 km pour vendre ça et puis tu vas à 8000. Mais c'est pas normal. À Gouré, ils vendent à 9500. À Zender, ils vendent à 7500. 7500, regardez, entre nous et Zender, il y a 90 km. Nous, on est à 12 km de Barbara, ils vendent à 8000 ici. Et à Zender, à 7000. 500, vous voyez Donc euh, là, il y a quelque chose que j'invite les ah. commerçants à voir ça. À ah, se voir entre eux. <laughs> oui, <laughs> Parce que lorsque vous parlez de, la spéculation autre, quand même, ils doivent savoir. Il a dit que ça se passe au Nigeria. Mais ça se passe ici aussi. Ce n'est pas qu'au Nigeria Ce n'est pas seulement au Nigeria. Parce que si tu achètes à 12 km, tu vends à 8000 Et celui qui achète à 12 km plus 90 km, il vend à 7000 000. C'est Que... Le bénéfice est énorme. Il faut avoir de ceux qui achètent quelle est euh, la, réalité de la libre circulation des biens et des personnes entre ces contrées, Bagaria et le Nigeria euh, Je commence avec vous, Garba Haruna, représentant du syndicat des transporteurs. Pour le transport, euh, on ne prend pas des passagers comme ça librement pour les acheminer. Il y a des formalités qu'il faut faire sur la route. Dites-nous quelles sont ces formalités. Oui, il y a des points, de, police, gendarmes qu'il faut régler euh, pour acheminer les passagers. À la frontière aussi, il y a l'immigration, il y a, la douane. Tout ça, il faut. Les polices et gendarmes que vous avez cités, c'est euh, côté Niger, Niger. Côté Niger, il y a police et gendarmes. Côté Nigeria, il y a euh, immigration, douane. De la frontière à Kano, il y a plus de 27 points. Il faut s'arrêter et les régler, mais c'est un peu moins, cher. quoi. Alors, euh, nous revenons aux, commerçants. Sani Issa, représentant du bureau des secrétaire général du bureau des commerçants. Comment est-ce que vous, en tant que commerçant, comment est-ce que vous vivez cette circulation Est-ce que cette circulation vous est fluide ou pas Donc, euh, comme je venais de le dire, il y a une libre circulation, mais vraiment, il y a un peu de tracasserie, sur un peu les sur la route Magra-Kano. Pour vos commerçants Oui. Lesquels Dites-nous. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils puissent avoir une idée de ce que vivent les commerçants sur le, euh, Comme il venait de le dire, lui, le représentant du conducteur, vraiment, il y a beaucoup de postes. Et, mais nous, ce qui nous dérange, ce sont les, les postes des immigrations là. Parce que si vous sortez ici des Maghreb pour aller, avant même de rentrer à Abra, vous allez rencontrer ya siwon filin ya deux frontières a la frontière magare tsina qui commence de dashi a et il y a encore la frontière magaria jigawa qui commence de babban à Babra. maintenant les immigrés là dessus on part avec nos chauffeurs ici il faut que nos chauffeurs leur donnent quelque chose par exemple 500 naira par véhicule à eux seuls seulement à part les mobiles les douanes les polices euh, et autres Maintenant, le refuse de leur donner, il faut que tout le monde sorte de la voiture pour leur donner quelque chose pour raison de ne pas avoir euh, notre carnet CDAO. Si on n'a pas la carte CDAO, donc c'est le plus grand problème du monde. On a jusqu'à une, deux, trois, quatre places. Mais la quatrième, c'est juste à l'entrée d'économie. Ce n'est pas chaque jour qu'ils sortent. Ils peuvent même perdre euh, un mois sans pour autant sortir de l'économie. Mais le problème, c'est situe de Dashi à Jigawa. Même Jigawa, c'est à partir de Kanya. Il y a ceux qui sortent uniquement pour les véhicules du Niger, les immigrations là, pour les services d'immigration. Ils sortent, dès qu'ils voient les voitures du Niger, euh, et le reste, maintenant, ils font arrêter les véhicules. Les chauffeurs leur donnent 500, 500 naira pour qu'on puisse passer. Si toutefois un chauffeur refuse, il faut que tout le monde donne de 500 à 1000 naira par personne. Et il y a ceux qui, quittent même Abra pour aller prendre la nouvelle route qu'ils qu appellent euh, Ergria. Donc à partir de 15 heures, il reste. Dès que vous venez, si c'est un véhicule du Niger, le chauffeur va lui donner 500. Mais si toutefois vous ratez votre véhicule d'ici, de, de, de euh, là-bas à Kanous, dès que vous ratez le véhicule de Magréa, et que vous prenez un véhicule du Nigeria, dès qu'ils viennent, ils nous identifient. Toi, tu sors, toi, tu sors, toi, tu sors. Auparavant, c'était 500 Nera si tu n'as pas ton CDAO. Mais aujourd'hui, c'est 1000 Nera. Et, ça vous pose des problèmes d'avoir euh, ce carnet Est-ce qu'il y a des difficultés d'avoir ce carnet non, il n'y a pas de difficulté. Parce que maintenant, les gens vraiment ont commencé à se réveiller. Quand on a commencé à faire ça ici, les gens ont dit que c'était un peu cher. C'était jusqu'à 8000 au début. Mais vous pouvez faire ça Kano, au consulat. Au consulat de Kano, là-bas, c'est à 3500 lira. Mais maintenant, c'est 4000 lira. Et ici, au Niger, c'est 8000 francs. C'est 8000 ici à Maghreb. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire ça parce que les gens ne veulent pas cette tracasserie. Monsieur le préfet, moi, euh, nous sommes déjà dans les limites euh, et les difficultés donc, de ces échanges entre Magaria et, Nigeria. Je vous, dis que chaque pays a son dispositif sécuritaire. Mais il vous a bien dit que, à défaut du carnet CDAO, le carnet CDAO est un document qui a été institué par l'ensemble des pays membres de la CDAO. Et ça s'est fait à Magaria. Il vient de m'apprendre que le carnet coûte 8000. 000, francs. Il vient de m'apprendre. Qu'est-ce que vous savez avant Moi, je sais que le carnet a seulement un timbre de 3000. C'est tout ce que je connais. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par mon biais, ils sont allés faire ça. Ils venaient des Indères, ils sont partis faire ça. Et le commissaire à la direction départementale de la police, le DTPN les a renvoyés au niveau des impôts pour acheter seulement le timbre. C'est ce que j'ai vu, de 3000. Donc, les 5 000 Les 5 là, vraiment, je ne connais pas. Je viens de l'apprendre parce que tous ceux que je, les gens que je vis, vraiment, ils n'ont pas payé ces 5 000. Je n'ai pas vu ça. Mais quand même, c'est un document qui a été institué par l'ensemble des pays membres de la CDAO. Si tu l'as pas, déjà, tu es en infraction. Et si tu pars négocier avec quelqu'un 1000 naira ou 2000 naira, ça, ça fait ton problème. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu. Donc, pour la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes, on a institué le carnet CDAO. Il fallait l'avoir. Et je ne sais pas, tantôt, il parlait des véhicules du Niger, et du Nigeria. Qui sont identifiés. Qui sont identifiés. Tous les véhicules de Magaria, 70% ils sont immatriculés Nigeria. 70% des véhicules de Magaria sont immatriculés Nigeria. Je ne connais pas la différence entre maintenant Niger, le véhicule du Niger et du Un véhicule qui est immatriculé Nigeria, il est Nigeria. Concernant le bureau d'immigration dont, dont, il parle, mhm. vous savez, aujourd'hui, l'immigration est un fléau international. Nous, nous avons des instructions à barrer la route aux, à ceux qui se pratiquent à, des à, de telles, choses. Le ministère de l'Intérieur a fait arrêter ceux qui faisaient cet exercice-là à Agadez. La fois passée, ils ont fait le point. Plus de 100 véhicules ont été confisqués et plus de 200 personnes ont été envoyées en justice. Donc, notre peur, c'est que ces gens-là puissent, puissent glisser, peuvent se confondre à vos passagers normaux, aux commerçants que vous transportez, pour pouvoir passer inaperçu. Et ils le font. Jusqu'à aujourd'hui, on a coupé la route à ces gens-là sur le goudron. Mais actuellement, si on arrête de migrer à, Agadez, cela veut dire qu'ils ont passé par Magaria ou Dungas. Il n'y a pas d'autre chemin. Si on arrête la drogue à Agadez ou la drogue au nord de Tesker, que vous avez vu la fois passer à la télé, mais ça, ça passe où Ça passe par Dungas ou par Magaria. Donc cela veut dire qu'ils ont plusieurs pistes. Il y a le chemin de Tanouta, hein, à ne pas oublié. Les chemins de Tanout sans passer par Magaria Sans passer par Magaria Sans passer par Matame Sans passer par Dungas Comment tu vas aller à Tanout Les gens, tout ce que nous, nous allons prendre. C'est un passage obligé, Magaria. Mais c'est obligé. Mais les gens du Tchad, tu sors ici, il y a plus de 100 camions qui vont aller au Tchad, qui sont là stationnés. Et quand ils se rapitaillent à partir du jusqu'à N'Djamena, ils sont là maintenant stationnés. C'est le passage obligatoire parce que l'immigration, plus contrôlée à Magatame, comme ils connaissent que Matamé, c'est même les immigrés eux-mêmes, les immigrés, ceux qui migrent là, ils vont de, Matamé. C'est pour cela qu'ils viennent à, ils font semblant, ils viennent vers euh, la frontière de Babamotumo, ils Et maintenant, surtout dans les champs, ils passent dans les champs. Maintenant, ils passent dans les champs. Actuellement. Sur les motos. Ils passent à motos. Ils, se, mettent deux à deux, ils se font remorquer à deux, et ils passent jusqu'à Agadé sans se faire voir. La région des Andes est tellement vaste que vraiment on ne peut pas contrôler facilement. Euh, alors je voudrais revenir sur un point euh, avec euh, le représentant des transporteurs, Sani Issa, qui est le représentant des commerçants. Donc tout à l'heure, nous avons évoqué cette situation où les véhicules du Niger sont souvent identifiés et, raquettés, entre guillemets, Monsieur le préfet vient de soulever le fait qu'ici à Magaria, 70% des véhicules sont immatriculés au Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait cela est-ce que justement c'est pour pouvoir euh, se confondre à la population du Nigeria qu'ici euh, la plupart des véhicules sont immatriculés au Nigeria ou bien Oui, 70% des véhicules sont immatriculés au Nigeria et leurs propriétaires sont au Niger. Oui. Leurs propriétaires sont, au Niger. C'est le dédouanement qui est cher. Ici au Niger. Ici au Niger. Alors qu'au Nigeria c'est moins cher. Au Nigeria, euh, tu peux circuler 10 ans avec un véhicule sans papier. Euh, sans, papier. Euh, sans, aucun, papier. Tu peux circuler 10 ans au Nigeria sans aucun papier. Alors, est-ce que en faisant rentrer des véhicules immatriculés au Nigeria, est-ce qu'ici la douane du Niger ne vous inquiète pas Oui, il leur donne le laisser-passer. Il prend un laisser-passer ici à la douane. Quelle douane Douane du Niger ou du Nigeria Douane de la frontière, au Niger. Vous voulez dire que ce sont de véhicules immatriculés au Nigeria ont tous des laissés-passer. Des véhicules de transport et des véhicules particuliers. Oui. Euh, monsieur le maire euh, de, la commune urbaine de, Magaria, nous avons évoqué donc le, par exemple la question du carnet de la CDAO. Euh, le représentant du commerçant parlait de 8 000 francs. Le préfet vient de nous dire qu'il est surpris. Lui, à sa connaissance, il n'y a que les 3 000 francs de timbre qu'il faut payer. Quelle autre information vous avez à votre disposition par rapport à l'établissement de, ces documents C'est déjà des choses en fait que nous, la commune, euh, on ne gère pas. Je rappelle que c'est Moussa le maire de la commune. On, ne gère pas cette question des carnets de la ou euh, Autre là, c'est le département en réalité qui les gère à travers euh, la direction départementale de la police. Donc en fait, nous, c'est la, la, police. Euh, communale en réalité urbaine. Qui, urbaine qui, nous intéresse. Et je ne crois pas que nous, de l'autre côté, au niveau de la frontière, on fait exigence par rapport à ces carnets. Donc ça, c'est une attribution de monsieur le préfet du département de Magaria. D'accord. Je reviens vers vous, Sanissa, euh, secrétaire général adjoint du bureau des commerçants. Euh, est-ce que euh, d'abord, euh, dites-nous où, partent ces 5 000 francs restants. Si on considère que 3 000 francs c'est pour le timbre, où est-ce qu'on donne ces, 5 en tout cas, moi, je ne, pas, je ne travaille pas au commissariat de police, donc je ne peux pas le savoir. Mais vous êtes sûr que c'est 8 000 francs Bien sûr. Ça, c'est plus que sûr. D'accord. Est-ce que ceux qui sont détenteurs de, ces carnets euh, sont aussi amenés à payer ou bien ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés sur la route, ils passent sans problème. Si vous avez le carnet, c'est oui. Est-ce que les 500 Nera qu'on demande, est-ce que ces Non, on ne le demande pas. Mais parfois, au bureau, on semblant demander. Quel bureau euh, Au bureau de l'immigration, là-bas à la frontière. Mhm. Mais pas sur la route. Parce que les, vous allez rentrer d'abord au bureau. Si vous avez votre carnet, on cachette ça. Maintenant, après, après d'avoir cacheté ça, ah, patron, il n'y a pas quelque chose pour nous voilà, euh, C'est les bureaux, les membres du bureau de l'immigration mm, voilà. qui demandent quelque chose euh, Oui. Mais quand, vous, quand vous, avez le, mm. tout le, vous avez le papier. Voilà. Mais si vous partez sans papier, vous, avez que votre, euh, vous êtes muniqué de votre carte d'identité pour donner 100 naira, vous passer. Celui qui n'a pas de carte d'identité, il donne 200 naira, il passe. Maintenant, celui qui a son carnet c'est d'ao, on lui cachette ça et il passe. Mais même parmi eux, ce n'est pas tout le monde qui demande de l'argent. Ils font semblant de mendier, euh, de commander quelque chose comme ça. Alors, mm. euh, nous allons avancer. Euh, quelle est la place de la Naira, e la monnaie du Nigeria, dans ces échanges Sanissa, continuez. La place de la Naira e dans vos échanges, la monnaie du Nigeria. La Naira, e elle occupe une place très importante parce que, comme le préfet venait de de le dire tout à l'heure, il a dit que beaucoup de des personnes ici, dans le département de Maghreb, ne connaissent même pas eh, la, monnaie le franc CFA. Hein. Le franc CFA. Ils parlent D'ailleurs, si vous partez même euh, dans, euh, dans quelques villages, ils vont dire que s'ils détiennent les français CFA, c'est tout simplement pour payer euh, les, les, les, impôts ou bien les patentes annuelles qu'on paye pour, pour l'État. Mhm. Mais sinon, c'est avec l'INERA. Partout, les échanges, même ici à Maghreb, même si il y a des. partout, partout. Eh. Même vers euh, je il y a des places là où on, on ne travaille qu'avec l'INERA. Où, hmm. on est comme, au Nigeria. Hmm. Alors, est-ce que euh, l'usage de cette monnaie euh, a des conséquences Si oui, lesquelles Oui, parfois, ça a des conséquences. Parce que c'est un échange qui s'est vraiment qui s'est fait parfois avec des. Je ne sais comment l'expliquer. Ça peut descendre, ça peut rehausser et puis ça peut se ravisser d'un jour à un autre. Vous pouvez par exemple faire votre monnaie aujourd'hui à 640 naira, 640 naira euh, à 1000 francs CFA. Demain matin, on peut dire que c'est revenu à 500 naira seulement. Ou bien on peut dire que c'est rehaussé. Ça peut aller jusqu'à 700 naira. Maintenant, le problème qui nous dérange, et ce qui fait que beaucoup de nos produits sont chers aujourd'hui par rapport à l'année passée où le Nera était à 800 Nera. Quand ils ont fait leur commande là-bas au Nigeria, parce que ce sont des commandes qu'ils font pour, euh, parfois pour 8 mois, 6 mois. Maintenant, les francs pas... c'est abaissé. Auparavant, c'était 800 jusqu'à 800 et quelques Nera. Qui 1000 francs, oui. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est 610, 620 le plafond, c'est 630 Naira. 630 Naira. Qui donne 1000 euh, francs. Euh, mais jusqu'à présent, ils ont euh, ce genre de produits. Maintenant, ils nous vendent ça. Eh, à l'époque où le Naira, la Naira était, à, 800, à 800. Voilà. Donc, nous, à, à cette là si on achetait ça, là, par exemple, 600 Naira. C'est Voilà. si, on vendait ça, par exemple, à 1000 francs ou bien à 1100 francs, même aujourd'hui, tu vas aller encore acheter ça à, 600 Nera. Donc, tu, ne peux pas vendre ça à 600 francs, à 1100 euh, francs. Tu vas un, peu repousser le prix. Parce qu'il y a la douane, costume, il y a tout ça là, les transports encore. Ça serait aussi. Auparavant, c'était 700 nera, mais aujourd'hui, c'est 1200 nera. Parce qu'il leur, faut, parce leur faut donner de l'argent. Partout où on s'arrête, ce sont eux qui vont nous euh, défendre, Au lieu de faire sortir les passagers euh, du véhicule pour donner chacun à son tour 500 Nera, ils donnent les 500 Nera. Et c'est jusqu'à trois postes qu'ils donnent 500-500. Maintenant, il y a les 200-200, il y a les 100-100. Garba Aruna, euh, un mot par rapport à, la monnaie du Nigeria, la Naira. Quelles conséquences pour, vous euh, dans, vos, échanges Pour nous, les transporteurs. oui, est-ce que le fait que la Naira, souvent, tantôt euh, s'élève et tantôt. Quand la Naira s'élève, nous aussi, on on, en tout cas, moi, je ne suis pas très cultivé sur la nerf. Vous n'avez aucun problème avec ça Nous, on n'a aucun problème avec le nerf. Si ça monte, ça monte. Si ça descend, ça descend. Nous, c'est seulement, seulement quand le prix, c'est seulement quand le prix de l'essence. Euh, voilà, c'est seulement vous quand le prix, de l'essence, ce que nous utilisons dans le véhicule pour transporter les, les, passagers. Si ça monte, nous aussi on, on fait monter le prix du ah, ah oui, monsieur le, maire merci, Monsieur de la radio Kalangou. Par rapport euh, à, l'impact de la monnaie du Nigeria sur notre économie du département de Magaria, comme l'a dit monsieur le préfet, aujourd'hui, presque tous les échanges commerciaux entre le Nigeria et le département de Magaria se font avec l'ANIRA. E et aujourd'hui, dès que vous sortez de la ville de Magaria, vous allez au premier village, c'est la Nera presque qu'on connaît. Donc presque tout le long de la frontière, c'est la Nera qu'on connaît. C'est lié à l'importance des échanges commerciaux qui se font entre le Nigeria et le département de Magaria. Et le Nigeria, trois années de cela, il y a eu la dévaluation de la Nera. Effectivement. Et cette dévaluation de la Nera, qu'est-ce qui l'a motivé au Nigeria c'est par rapport à leur déficit de balance de paiement. Pour corriger cela, il faut dévaler la NERA, mm. c'est-à-dire encourager les exportations vers d'autres pays, ce qui va faire entrer plus de devises mm-hmm. au Nigeria. Or, cette dévaluation nous a été plus ou moins négative, mm-hmm. parce qu'aujourd'hui, nos produits que nous, nous exportons vers le Nigeria, c'est des produits qui vont coûter extrêmement cher. Vous prenez le bétail ici un taureau que vous pouvez vendre ici à 100 000 francs, quand vous allez au Nigeria, pour avoir, avec tous les coûts intermédiaires, quand vous allez aller le vendre de l'autre côté, vous, euh, allez, vous, allez, vous, allez, perdre vous allez perdre avec la dévaluation du naira de l'autre. Mais pourtant, les gens continuent quand même. Mais ce qui veut dire que les échanges ont diminué. Ont diminué l'année dernière, ou deux ans de cela à la période de la, Tabaski, au lieu que les Nigérians viennent ici acheter les moutons, ils préfèrent exporter leurs moutons ici, à Magaria. Parce que ces moutons vont coûter plus cher que là-bas au Nigeria. Et est-ce qu'ici les Nigériens ont changé d'itinéraire, ont changé de débouché Est-ce qu'ils amènent les animaux C'est devenu, une tradition. Les commerçants de Magaria ne peut pas s'en passer du Nigeria. Et les gens du Nigeria ne peuvent pas s'en passer de Magaria parce que c'est des débouchés important, Le Nigeria, Kano, Kazine et autres là, leurs débouchés principaux, c'est ici à Magaria. Et Magaria, le débouché principal, c'est Kano et, les autres villages frontaliers avec le Nigeria. Ce qui veut dire que la dévaluation de la NERA du Nigeria a été un, euh, impact négatif, du département de Magaria du point de vue l'économie de, cette, de, ce département. ce que j'allais ajouter. Ah monsieur le Préfet, peut-être un mot rapidement sur, sur ce point l'instabilité de la monnaie, d'abord la dévaluation de, de, la monnaie, la NERA, ensuite euh, l'instabilité de cette monnaie, euh, ses conséquences Bon, moi ce que je connais, quand tu prends euh, au point de vue économique, le Magaria est partie intégrante du Nigeria. Les gens, ils, quand sur le marché, ils vendent ça en NERA. Tu es obligé d'accepter la NERA. Parce que lorsque, même les prix modérés, les prix modérés, les maires étaient obligés d'accepter la e parce que les gens n'avaient rien que la e Et quand tu refuses la e là, tu ne peux plus leur vendre ça. Donc, ils étaient obligés que les conseils municipaux acceptent la NERA malgré l'instabilité du coût de la Parce que chaque semaine, ça change. Ce que fait que Magaria, c'est de Nigeria. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le maire Moussa Haruna, euh, est-ce que la mairie arrive à tirer son épingle du jeu concernant les taxes Bien sûr. Quand vous allez, euh, ce que je disais, l'importance des échanges commerciaux entre le Nigeria et la commune urbaine de Maghreb sont extrêmement importants. Et de fait, même aussi, les exportations du bétail sur pied vers le Nigeria, au niveau de la douane, il y a la licence. Il y a des taxes que la mairie profite. Il y a aussi les, les droits la, taxe d'identification et la taxe de présentation de bétail, ceux qui viennent par exemple du Nigeria, ils achètent. Donc il y a la taxe d'identification qui va faire rentrer les recettes au niveau de la commune, euh, de, la mairie de Magaria. Donc nous sommes à une période aujourd'hui, la période de la Tabaski. Les Nigériens qui viennent acheter de moutons ici, ils, ils versent de l'argent au niveau de ce marché à bétail et ça va rentrer dans la caisse de la mairie de Magaria. L'incivisme fiscal n'est pas une préoccupation ici à Magaria Là, euh, monsieur de la radio, vous, avez, touché un point extrêmement important. Quand vous parlez de l'incivisme fiscal ici dans, dans la commune de Magaria, c'est autre chose si on commence à faire un débat ici, on n'arrive pas à finir parce que je vois de l'autre côté, on nous fait comme ça, peut-être il reste 5 minutes. Ce qui veut dire que c'est un débat extrêmement important ici. Qui doit avoir son doit avoir son temps propre ici. Mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir J'ai dit, je félicite monsieur le préfet du département, madame Magaret, qui est venu ici, nous a donné un coup de pouce par rapport aux taxes municipales, par rapport aux, taxes de voirie. C'est là où le bas blesse aujourd'hui, presque dans toutes les communes. La commune urbaine de Magaret, je crois, elle, est placée la première par rapport à l'insuffisance fiscale. Ça, un problème extrêmement compliqué. Si aujourd'hui on cherche à résoudre ce problème, je crois qu'on passera toute la journée dans, ce studio pour chercher des solutions. Alors on va demander par rapport à votre euh, contribution euh, inestimable pour rehausser ce, taux d'essai fiscal issu dans la commune euh, rapidement, nous allons terminer avec les doléances. Donc, Sani Issa, représentant du bureau des commerçants, a résumé, quelles sont les principales, vos principales doléances en tant que commerçant et à l'endroit de qui donc, euh, nos doléances, vraiment, nous voudrons que l'État vraiment puisse donner des formations aux commerçants. Parce que on fait le commerce, mais. Des formations par rapport Il faut former les commerçants pour savoir même comment commercer, pour, savoir quel papier eh, avoir pour bien commercer, pour savoir leurs droits maintenant avec, euh, auprès des porteurs détenus, pour diminuer les tracasseries. Voilà. Monsieur Garbaruna, représentant des transporteurs, quelles doléances, quelles préoccupations vous voudrez voir prendre en compte par les autorités ici présentes, le maire ou le préfet Les doléances sont les tracasseries routières, diminuer les tracasseries, interdire les transports intérieurs. Qu'est-ce que vous appelez Les transports intérieurs, c'est-à-dire les véhicules du Nigeria qui viennent ici à vite faire les transports ici qui à prendre les gens pour aller. Oui, ou amener des gens ou à prendre les gens. Bien. C'est le, intérieur seulement qui nous freine un peu. Monsieur le préfet euh, Ibrahim Suleiman, vous avez écouté donc les doléances. Quelles sont, les, euh, quelles sont votre, vos réponses Nous sommes déjà euh, là-dessus pour trouver des solutions à ce qu'ils ont évoqué tantôt. Parce que nous avons mis les corridors en place. canon Jigawa Zander, dont le gouverneur de Zander est président, et nous, nous sommes membres en tant que représentants de l'État. Et c'est quoi le rôle de ce corridor Le rôle de ce corridor, c'est d'écouter les commerçants et les transporteurs, de savoir leurs doléances et d'emporter des solutions. Donc, avec les commerçants et les transporteurs de Magaria qui doivent venir, on va se rencontrer. Certainement, on va prendre en compte vos doléances et puis on va voir quelles propositions on va faire aux forces de défense et de sécurité. Si vraiment il y a quelque chose qui est hors la loi qui est en train de se passer, nous sommes en droit euh, d'arrêter ça. Monsieur le maire, euh, un dernier mot, votre dernier mot Oui, effectivement, par rapport à ce problème de tracasserie, et le PRODAF, qui est là quand même euh, un programme très important, qui est en train de chercher à résoudre ce problème avec le corridor, comme l'a dit Monsieur le Préfet. Donc, ça, c'est une décision au niveau de la région ou monsieur le gouverneur, en tout cas en tant que membre de ce comité technique, qui va essayer de donner une solution à beaucoup de leurs doléances qui sont en train de, sur ce prend fin le forum de ce soir consacré aux échanges commerciaux du département de Magaria avec le Nigeria voisin, les échanges commerciaux de ce département avec le Nigeria, les retombées et la libre circulation des biens et des services. Nous étions en compagnie du préfet du département de Magaria, Ibrahim Suleiman du maire de la commune urbaine de Magaria, Moussa Harouna, du représentant des syndicats de commerçants, Sani Issa, et Garba Harouna qui représente ici les transporteurs. Présentation à la Kouzi Mamadou, réalisation technique euh, Ousseini Isaka. Rendez-vous de même heure, même fréquence pour euh, une nouvelle édition. Bonsoir à tous.